le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum d'Issidio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Les programmes d'Issidio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Quartagui FM 90.1 9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangou notre site internet euh, www.studiokalangu.org. Le forum euh, du studio Kalangu est un espace d'échange, euh, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes aux ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou des sociétés que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu s'intéresse à la préservation et la consolidation de la cohésion sociale et l'unité National nationale. Avec nous pour développer ce sujet, Massaoudou Ibrahim, philosophe, politologue, chef de projet sensibilisation, renforcement de la sécurité aux frontières du Zender et d'IFA. Il a une grande expérience sur cette thématique. Massaoudou Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Alou Issa Aye, il est sociologue. Alou Issa Aye, bonsoir. Bonsoir. La paix et l'unité nationale, la sécurité et la tolérance, la solidarité et l'amour de la patrie doivent être des vertus cardinales partout et pour tous et ne doivent nullement souffrir des ambitions des uns et des autres. C'est dire qu'aujourd'hui, plus que par le passé, tout désordre, toute vérité de formation de clans ethno-régionalistes ou autres, toute activité politique qui ne cadre pas avec les lois et règlements de la République, tout activiste politique malsain et toute propension au complot et à la démobilisation du peuple, à la diffusion des rumeurs et fausses nouvelles pour nuire à la sécurité, la stabilité, la cohésion sociale et l'unité nationale doivent être combattus avec la dernière énergie. Massoud Ibrahim, vous êtes euh, philosophe, politologue, chef de projet sensibilisation renforcement de la sécurité aux frontières de Zander et d'IFA. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, donnez-nous d'abord un aperçu de votre expérience sur le terrain. Comment avez-vous œuvré pour euh, prévenir ou calmer ce type de facteurs qui nuit gravement à la paix Merci, Mokhtar. Je remercie d'abord euh, le studio Kalangu qui a eu l'heureuse initiative d'organiser ce genre de forum de sensibilisation, allais-je dire, sur des problèmes assez importants tels que la paix, la stabilité, la cohésion et l'unité nationale. Mes expériences euh, sont de plusieurs ordres. Dans un premier temps, j'étais le président de l'Observatoire autonome pour la bonne gouvernance et le développement. À ce titre, euh, au sein de l'organisation, nous avons mené plusieurs activités notamment des rencontres de plaidoyer, des assemblées générales, euh, des déclarations, des publications avaient été faites dans le cadre des activités que nous avions mises euh, en œuvre sur le terrain pendant presque une décennie. Puis nous avions mené des activités de formation et de sensibilisation même en matière électorale avec l'appui de nombreux de partenaires tels que le PNUD, le CNDP, l'Union africaine, etc. Après ça, j'avais évolué pour être euh, consultant gouvernance démocratique, euh, paix, stabilité, cohésion sociale, déradicalisation. Et à ce titre, j'ai occupé un poste euh, de responsable de renforcement des capacités des organisations de la société civile à adresser les attentes des communautés. Là également, nous avons fait des formation, des visites de terrain où nous avons identifié les besoins en renforcement des capacités des organisations de la société civile et nous avons implémenté ces activités de renforcement des capacités et les organisations de la société civile avec lesquelles nous avons travaillé ont su comment identifier les attentes des communautés en matière de paix, de stabilité et de cohésion sociale. Ça, c'est donc des résultats palpables auxquels nous euh, sommes parvenus. Ensuite, j'ai occupé le poste euh, de responsable chargé des affaires religieuses au sein du programme USAID euh, USAIDP à travers le développement, phase 2, 2. Et là, nous avions mené un important lot d'activités, notamment des visites de terrain sur l'ensemble du pays. Nous avions fait des formations euh, des leaders religieux, notamment les enseignants des écoles coraniques, les imams et autres leaders communautaires, sur la tolérance, les droits humains en islam, l'acceptation de l'autre dans sa différence, la cohésion sociale, les techniques de communication, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand un chef religieux communique mal, il peut créer le désordre, le trouble et le chaos au sein de la communauté. Et donc nous avons fait ce travail-là et ce travail-là a servi à beaucoup des participants que nous avons encadrés à connaître comment s'adresser à un public, comment exprimer une peine, une douleur, comment gérer pacifiquement des conflits. Tout cela était donc euh, des activités que nous avions menées. Maintenant, dans le cadre euh, du projet de sensibilisation pour le renforcement de la sécurité aux frontières à Zender et Difa. Nous avons fait beaucoup de rencontres de plaidoyer avec les autorités administratives, coutumières, euh, donc les autorités civiles et militaires. Nous avions rencontré beaucoup de leaders communautaires, y compris les organisations de la société civile, les chefs religieux, les organisations féminines, les organisations des jeunes. Et toutes ces rencontres de plaidoyer avaient pour but d'organiser des activités de sensibilisation. Parce que tout le monde sait que dans ce pays, il y a un problème crucial de mentalité qui est là. Et tant que vous ne faites pas de la sensibilisation, vous n'arriverez jamais à bout du problème de mentalité qui fait que les gens ne se comprennent pas, qui fait que les gens sont frustrés eux-mêmes, des problèmes qui font que les gens ne voient pas au-delà de leur environnement, c'est comme s'ils sont dans un vase clos. Or, il faut avoir aujourd'hui l'esprit ouvert sur le monde, comprendre les dynamiques de fonctionnement des États, comprendre les dynamiques de fonctionnement des projets et autres organisations et structures, etc. En ce sens, vous comprenez mieux comment vous y prendre dans un contexte tel que le chômage, l'oisiveté des jeunes, la faim, la soif, des problèmes de coexistence pacifique entre éleveurs, agriculteurs, entre transhumants et sédentaires, des problèmes tels que des invasions extérieures armées, des agressions. Donc c'est seulement quand vous avez certaines informations que vous pouvez comprendre la dynamique qui préside à ces phénomènes-là. Donc ça veut dire que sur le plan de sensibilisation, l'État a complètement démissionné parce que c'est l'État qui doit le faire en principe. L'État n'a pas démissionné. L'État a fait de la sensibilisation, mais avec quels moyens D'abord, ce sont les hauts responsables, les membres du gouvernement, les députés nationaux et quelques directeurs centraux qui, quand ils sont en mission à l'intérieur du pays sur des sujets bien précis, ils ne manquent jamais de communiquer avec la population sur les enjeux sécuritaires, par exemple. Beaucoup de députés ne le font pas, ils ne font pas le déplacement qu'à l'occasion des activités politiques les gens le font sur la base d'un chronogramme. Certainement, quand vous posez la question aux députés, ils vont vous dire qu'ils sont surchargés. Une chose est sûre, ils ont un agenda surchargé. Ils sont plutôt préoccupés par l'examen des lois, hein, des projets de loi. Ils sont préoccupés par euh, leurs activités parlementaires. C'est pour cette raison d'ailleurs que si les membres du gouvernement et les parlementaires ont un agenda surchargé, la relève de cette activité aussi importante de sensibilisation doit être prise par les organisations de la société civile avec l'appui ou non des partenaires techniques et financiers. Donc c'est dans ce sens que nous, avec euh, le soutien du gouvernement des États-Unis et de l'Union européenne, nous avons en tout cas mené plusieurs catégories d'activités, dont des journées de mobilisation communautaire pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons fait des forums du de dialogue inclusif entre les forces de défense euh, et de sécurité et les représentants des communautés locales pour que les gens puissent d'abord se comprendre parce que vous savez qu'il y a des problèmes euh, de méfiance un certain temps quand on est dans une zone de haute insécurité. Telle que la euh, région de telle la, région de Difa. telle que la région de Difa, vous voyez, un militaire qui est en tenue n'a pas confiance à un civil parce que ce civil, il n'est pas écrit sur son front terroriste. Il n'est pas écrit sur son front djihad. Donc, il peut nuire à la communauté. Et donc, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème de confiance Alors, il faut tout simplement sensibiliser les uns et les autres. Si vous, vous n'êtes pas terroriste, vous êtes un paisible citoyen, il faut que vous soyez en possession de vos pièces d'identité et vous ne pouvez pas avoir peur au vu des FDS. Mais quelqu'un qui, impaisible, qui est là pour vous protéger. Quelqu'un est là pour vous protéger, mais vous avez peur de lui ou vous fuyez devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va dire ah mais voici un terroriste. Donc c'est en fait ça. Il faut donc expliquer aux populations que les forces de défense et de sécurité ne sont pas les ennemis du peuple. C'est des forces qui sont d'abord issues du peuple. C'est des forces qui sont là pour protéger le peuple. C'est des forces qui sont là, qui travaillent matin, midi et soir. D'ailleurs, il faut leur prêter moins forte. Donc c'est en ce sens qu'on a besoin d'une compréhension, d'une collaboration et d'une synergisation d'efforts entre les FDS et les communautés locales pour que la sécurité soit une réalité. Massoudou Ibrahim, quand dit-on que la cohésion sociale et l'unité nationale sont menacées dans un pays L'unité nationale et la cohésion sociale sont menacées dans un pays lorsque l'État lui-même présente des caractères de fragilité. Lorsque vous avez un État extrêmement vaste, lorsque vous avez des foyers de tension avec des frontières poreuses. Voilà, avec des frontières poreuses, vous avez des foyers de tension à l'extérieur. Et lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens matériels et des équipements, puis des hommes en quantité suffisante pour sécuriser votre territoire, alors là, il y a problème. Dès que l'invasion extérieure s'annonce, ça crée la psychose d'insécurité, sinon la débandade, sinon l'insécurité totale, sinon l'instabilité, sinon la dégénérescence de tout le système de gestion. Dans ce genre de figure, euh, que le comportement doit adopter les acteurs politiques, euh, les acteurs de la société civile, en aimant les leaders d'opinion Lorsqu'il y a des menaces euh, sécuritaires assez graves contre un pays, moi je crois que la première des choses à faire, c'est qu'il faut être vigilant. D'abord dans ce qu'on dit, ensuite dans ce qu'on fait dans ces déplacements. Il faut être assez vigilant. Ensuite, il ne faut pas collaborer avec les terroristes, quel que soit l'argent qu'ils vont venir avec. Nous avons vu dans le cas de, l'affaire Boko Haram dans la région de Difa, les terroristes euh, s'étaient installés parce qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils distribuaient aux jeunes. Et les jeunes avaient facilement trouvé que ils pouvaient s'en sortir, surtout ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui désirent les gains faciles. Donc ils ont rejoint les camps de Boko Haram assez facilement et par la suite ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas s'en sortir. Plusieurs de ces jeunes-là sont morts dans des attaques, euh, d'autres sont portés disparus. On ne peut pas dire là où ils sont exactement. Alou vous êtes euh, sociologue. Expliquez-nous un peu les genres de propos qui sont attentatoires à l'unité nationale. en fait, euh, Peut-être pour, avant même de, de, répondre à ta question, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant que je rentre un peu dans la même ligne que mon aîné. Ibrahim. Effectivement, par rapport à cette question d'insécurité où il faudrait fondamentalement, je pense bien, mettre l'accent sur la sensibilisation, comme il a eu à le dire. Nous avons, c'est vrai, un pays où il y a un véritable problème euh, de valeur sociétale. Il y a un véritable problème euh, de sensibilisation, de compréhension d'un certain nombre de enjeux, hein, peut-être liés à l'alphabétisation, à l'alphabétisation de, la population, nous, sommes, avons une population qui tourne autour de 80 et analphabètes. Donc, qui dit analphabète dit difficulté parfois d'appréhension ou de compréhension. Eux, l'État, avec euh, ses partenaires qui sont chargés peut-être d'épauler cette population en vue de mieux comprendre les choses, a également des difficultés. On peut-être ne fait pas de ça une des priorités. Mais ce qui est sûr, nous avons un véritable problème de fond et je pense que peut-être c'est d'où est née l'idée de renaissance culturelle. Il faudrait véritablement qu'on puisse transformer les mentalités. Donc c'est un changement social pour le comportement qu'il nous faut. Il faudrait que le Nigérien, au-delà du clivage, puisse comprendre la nécessité de l'existence de l'autre pour lui. Ce pays-là existe tout simplement du fait d'un certain nombre de valeurs. Et l'unité nationale ou la solidarité constitue l'une des clés fondamentales qui permet l'existence de la nation. Il faudrait que les gens comprennent, tant que ce pays n'existe pas, on ne peut plus parler des individus ou des clans ou des ethnies. Donc notre existence dépend fondamentalement de l'existence globale. Nous sommes dans un tout. Donc, il faudrait que nous arrivions à comprendre, à faire comprendre cet état de fait à l'ensemble des Nigériens, à l'ensemble des concitoyens, afin que nous puissions comprendre que l'existence de ce pays-là, notre existence du monde, dépend de l'existence de ce pays. Que ce soit une menace externe ou une menace interne, il faudrait fondamentalement créer les dispositions pour que ça ne soit plus, pour que nous puissions comprendre les enjeux. Est-ce que les, propos doivent être contrôlés mais évidemment, c'est pour euh, euh, en même temps appuyer euh, mon grand frère par rapport à la sensibilisation. Il faudrait que, même en termes de transmission des valeurs, de le basage, que nous puissions savoir quoi éduquer à nos enfants, quoi transmettre aux enfants, quoi dire aux enfants. Il y a un certain nombre de propos que nous sommes aujourd'hui, hélas, en train de constater, qui sont attentatoires à l'ordre public, qui sont attentatoires à la cohésion sociale, qui sont attentatoires à la solidarité, à la paix et à la quiétude. Peut-être les Nigériens, pour beaucoup, ne savent pas la gravité d'un certain nombre de choses, mais des simples peut-être propos qu'ils pensent négligeables peuvent créer un Peut le feu aux poudres. Effectivement. Donc, il faudrait que nous retenons un certain nombre de choses et que nous puissions, en premier lieu, maintenir trois socles. Le socle social, le socle politique et le socle économique. Il faudrait que, en termes sociaux, que nous puissions comprendre que nous avons un certain nombre de valeurs liées à notre culture, à notre religion, qui sont là, qu'on doit renforcer pour qu'un certain nombre de dérives ne puissent pas arriver. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres ethnies, que les autres pays, que les autres contrées du monde qui sont en train de, de rencontrer des difficultés. Donc, notre chance, c'est que nous avons des valeurs qui sont communes, notamment le mariage, par exemple, l'exogamie, qui permet aujourd'hui au Nigérien qui est à l'ouest, à Terra par exemple, de marier un, autre Nigérien de, de, Mena. Donc là, c'est des valeurs. Lorsque l'enfant va se relever dans une communauté où il sait que son père est un Germain, sa maman ici est, une peule son, grand-père est un canori mais il va se retrouver dans le Niger. Il lui serait difficile de même de vouloir tenir des propos à l'encontre d'une des ethnies. Alou Issa généralement, quels peuvent être les auteurs de ces propos malveillants le plus souvent, en tout cas dans la communauté, dans la situation actuelle de ce pays, euh, je pense que le plus souvent, c'est des, des, gens qui sont à la limite frustrés du fait d'un certain nombre de considérations politiques. Malheureusement, on a laissé la politique infiltrer ces valeurs-là. Et même la religion même la religion, ce que j'ai dit. Donc malheureusement, c'est ce qui fait que euh, on constate que les gens ont tendance à vouloir se recroqueviller sur leur ethnie, se recroqueviller sur leur région, sur, sur des considérations vraiment euh, très bas. Alors que ce qui prime, comme je l'ai dit, il faudrait que nous puissions comprendre que mon ethnie là, ne sera jamais viable dans un Niger instable, que ma religion ne sera jamais viable dans un Niger instable, que ma famille, que mon clan ne peut absolument pas s'épanouir lorsque l'ensemble de la communauté nigérienne ne se donne pas la main dans la main pour partir vers l'objectif global. Parce que dans ce qu'on appelle la dynamique sociale, il y a l'objectif global qui doit primer sur les, euh, autres considérations. particulières ou individuelles. Donc l'objectif global dans le cadre, dans le cadre de l'espèce du Niger, c'est vraiment maintenir la cohésion, la stabilité sociale en vue d'aboutir à un développement commun. Mais lorsque on pense que non, non, je peux me retrouver dans mon petit carcan d'ethnie ou de région pour m'épanouir, il est absolument stupide parce que ce n'est pas faisable. Mais malheureusement, nos hommes politiques, beaucoup de nos hommes politiques, et certains concitoyens qui se laissent drainer, qui se laissent entraîner, ont tendance à vouloir faire recours à un certain nombre de considérations ethniques, religieuses ou euh, régionalistes pour pouvoir juste avoir euh, une portion. À quelle fin ah, Mais c'est pour des, intérêts particuliers, égoïstes et égocentriques. Ce n'est absolument pas pour l'intérêt national. Et vous allez voir, en général, ces gens qui font recours, c'est lorsqu'ils sont misélés. C'est lorsqu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus compétir face peut-être à l'adversaire, eh bien, ils font recours à l'ethnie, à la région ou à, des religions pour pouvoir survivre. C'est malsain et c'est dangereux. C'est très dangereux. Massoud Ibrahim, euh, la constitution de la Septième République, à son article 9, stipule que les partis politiques à caractère euh, ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de sanctions prévues par la loi. Que disent euh, les textes ou la loi à ce sujet Une chose est sûre, c'est que la loi fondamentale euh, de notre pays a interdit la création de partis politiques à caractère euh, ethnique, régionaliste ou religieux, tel que vous l'avez précisé. Maintenant, dans les faits, les partis politiques ont des assises régionales. Il n'y a que un ou deux, tout au plus trois partis politiques qui ont une assise nationale. La région du leader est celle qui compte le plus de militants. Ce phénomène-là vient d'où Quand on creuse un peu dans l'histoire, même aux États-Unis, c'est comme ça. En France, c'est la même chose. Dans presque tous les pays africains, votre région d'appartenance vous apporte le plus grand nombre de voix. Donc, peut-on dire que c'est sur des considérations ethniques ou régionalistes que les gens votent les hommes politiques Si on dit oui, on n'a pas tort. Si on dit non, également, on n'a pas tort. En fait, le sentiment d'appartenance à une région, à une ethnie ou à une religion est un sentiment qui habite tout être humain. Donc, c'est vraiment un sentiment intrinsèque. Si aujourd'hui vous voyagez, je prends un petit exemple, vous voyagez en Europe, aux États-Unis ou dans les pays arabes, vous trouvez beaucoup d'argent. En tant que Nigérien, vous allez partir au Ghana investir mais comme vous avez l'amour de votre pays, c'est dans votre pays que vous allez investir. Mais si vous n'avez pas l'amour de votre pays, vous pouvez même euh, brader cet argent-là dans du n'importe quoi. Et donc, pour prouver à votre électorat que vous l'aimez, que vous allez faire quelque chose pour lui une fois élu, vous investissez le plus de fonds de campagne chez vous. C'est cela qui se passe dans la réalité. Maintenant, la Constitution, les autres textes de loi règlement, etc., poursuivent des individus qui portent atteinte à la cohésion nationale, à la paix, à la stabilité, lorsque des propos à caractère ethnique, régionaliste, qui sont censés allumer le feu, sont dits par des individus. Maintenant, le problème se situe à quel niveau Au Niger, il y a une culture d'impunité qui a été instaurée depuis longtemps. Des gens disent n'importe quoi sur les médias, les gens insultent n'importe qui, même à la place Amadou Boubacar. On a fait l'université, euh, enfin, une tribune libre pour insulter. Je ne dis pas que c'est la seule place, mais en tout cas, au niveau des déclarations, au niveau des interviews, vous entendez du n'importe quoi. Or, en tant que Nigérien, le sociologue Yael avait dit tout à l'heure, nous avons des valeurs sociales que nous ne devrons pas perdre de vue. Première chose, le respect du prochain. Vous devrez respecter votre grand frère, même si vous n'êtes pas même père, même mère. Un grand frère académique, par exemple. Un grand frère politique. Ou un grand frère qui a fait la société civile avant vous. Ou un grand frère qui a fait la fonction publique avant vous. Ainsi de suite. Donc, tout celui qui est plus âgé que vous, vous ne pouvez pas l'insulter. De la même façon, vous ne pouvez pas insulter. Avant, ces valeurs euh, étaient enseignées euh, au sein de nos familles. Bien sûr. Avant, l'éducation des enfants était l'œuvre de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les agglomérations et la complication des situations économiques, si vous parlez à l'enfant du voisin, <laughs> le voisin va sortir vous dire mais pourquoi vous avez euh, insulté mon enfant, pourquoi vous grondez mon enfant ou pourquoi vous avez frappé mon enfant. Alors qu'avant, si vous frappez l'enfant du voisin et que l'enfant parte chez son papa pleurer, son papa va le frapper encore. Mais maintenant qu'on a interdit même de frapper à l'école, comment voulez-vous éduquer les enfants Les enfants qui, sont qui ont aujourd'hui les yeux ouverts sur l'Internet, qui voient de n'importe quoi à la télé, les enfants qui circulent à longueur de journée dans les rues, parce que tout simplement, il n'y a pas cours, parce que tout simplement, leurs enseignants sont en grève, parce que tout simplement, on a institué un système tel que ce sont les collectivités locales qui doivent payer les enseignants contractuels. Alors que ces collectivités-là, même si elles ont les capacités, on peut les accuser de n'avoir pas la bonne foi de faire les choses correctement. On voit comment les villes sont sales, on voit comment les espaces publics sont bradés, on voit comment... Euh, prenez l'exemple de la ceinture verte. Il y a tellement de problèmes, de telle sorte qu'on ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui. Et donc, quand le président de la République euh, parle de la renaissance culturelle, euh, quelque part, il a raison. Même qu'on sent un sentiment de méa culpa, c'est parce qu'il est le premier responsable des Nigériens aujourd'hui. Il a juré sur le Saint-Coran. On ne cessera jamais de le rappeler. C'est comme si, si le Niger ne se développe pas, c'est comme si c'est lui qui a échoué. S'il y a des problèmes au Niger, ce sont ses problèmes. Les problèmes de tous les Nigériens sont les problèmes du président de la République. Et donc, comme les Nigériens n'ont pas de meilleur, c'est une société de pygmées. On ne veut pas que quelqu'un émerge. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir que les hommes politiques chargés de la direction euh, économique et politique et sociale de ce pays se ressaisissent et se disent que nous allons aller de l'avant, nous n'allons jamais euh, essayer de répondre aux coups de pied <laughs> de certaines considérations, mais quand même face à certains problèmes, il faut faire face à la réalité. Et comme lui-même, il aime euh, ce dicton de Lénine, face aux principes et à la réalité, je préfère la réalité, mais je ne, de façon à ne pas m'agenouer devant la réalité. Alou Issa vous avez quelque chose à ajouter rapidement Ce que j'ai peut-être à ajouter, c'est vraiment insister davantage sur euh, la sensibilisation et la transformation des mentalités. Je pense que c'est vrai, il y a un ministère qui a été institué dans ce sens. On va aborder dans la deuxième partie. D'accord. Donc, mais, au-delà, vraiment, il faudrait que nous puissions revoir un peu euh, nos valeurs que nous enseignons au niveau de la base. Au niveau d'abord du foyer, ensuite à l'école et maintenant dans les différents cercles de socialisation de l'individu. Parce que tant que l'individu ne fait pas sien, ne comprend pas en fait l'importance de l'existence de cette nation qui est le Niger, qui est primordial ou prioritaire par rapport à toutes les autres considérations, tant que l'individu n'arrive pas à les inculquer en soi, eh bien il serait difficile qu'il puisse les défendre. Donc c'est ce qui fait que généralement on constate un certain nombre de ratés, on constate un certain nombre de dérapages, parce que tout simplement on a n'a pas cette conscience claire de la chose ou de l'importance, de toute l'importance d'une nation ou d'un pays. L'ancien président de la République du Niger, le général Seyni Kounché, l'a si bien dit et répété à travers euh, ses nombreuses allocutions sur la culture de la paix, et je cite, Aucune nation n'a pu s'ériger dans le désordre, la chienlit et l'anarchie. Les tâches qui nous attendent sont beaucoup trop grandes et beaucoup trop nombreuses pour que nous nous distrayons en sombres manœuvres et en actions déstabilisatrices. Cultivons donc notre amour pour la paix et la tu dans notre patrie et dans le monde entier de notre voisinage immédiat comme des lointaines contrées nous parviennent des échos de menaces contre la paix, contre l'unité des peuples et de leur dignité. Gardons donc toujours à l'esprit que la paix est un bien précieux mais précaire dans nos États. On la perd bien plus facilement qu'on ne la recouvre. Aloïsa Aye, que vous inspire cette citation du feu général Senkounché au sujet de la culture de la paix et l'unité nationale Je pense que c'est une grande vision, une grande vision d'un homme d'État qui a su mesurer toute l'importance de la cohésion et de la paix dans un pays. Il ne peut pas y avoir, comme il l'a dit quelque part, un développement sans qu'il y ait cette quiétude, cette cohésion et surtout la solidarité. Je pense que euh, ça fait partie des principes ou des motivations qui l'ont amené à un moment donné à encourager les affectations des fonctionnaires, les orientations des étudiants, parfois même du secondaire. De Terra, on peut affecté à Tawa, on peut amené, on peut t'orienter dans un lycée à Tawa, à Zander. Et ça a permis de cultiver vraiment l'unité, de créer une sorte de brassage et de renforcer quelque part la solidarité entre les communautés. Parce qu'il n'y a pas plus grand danger que l'ignorance. Il n'y a pas plus grand danger que la méconnaissance de, l'importance de l'autre pour mon existence propre. Et cet état de fait est le plus souvent constaté ou encouragé par des communautés ou des peuples qui ont du mal à sortir de leur carcan. Lorsque vous passez toute votre vie dans un seul milieu, avec le seul peuple, avec le seul petit monde que tu as, tu penses que le monde se résume à ça. Mais lorsque vous avez cette faculté d'avoir une certaine ouverture, ne serait-ce à travers le voyage, ne serait-ce à travers euh, les études, à travers euh, la culture, eh bien vous allez comprendre que le monde est global, que le monde c'est un tout, que votre existence, que nous sommes interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est ce message-là que euh, le feu coutier a essayé de faire transmettre aux Nigériens et de faire inculquer aux Nigériens, ne serait-ce que dans la pratique, parce que un certain nombre des actes qu'il a eu à poser dans ce cadre-là ont permis vraiment de créer des mariages exogamiques, exogamiques entre deux communautés. D'une part, peut-être de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord, et ça a renforcé quelque part l'unité nationale, ça a renforcé quelque part la solidarité, la compréhension euh, de, peuple nigérien. Alou depuis la formation du gouvernement de la deuxième législature, un ministère dit de la renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale a été créé. Quel sera l'apport euh, de ce nouveau ministère dans cette tâche combien importante pour la culture sociale L'apport du ministère de la renaissance culturelle doit être extrêmement euh, important, je pense, parce que tout simplement, qui dit renaissance dit un travail de fond renaissance culturelle surtout. Parce que comme nous l'avons dit tout de suite, nous avons un problème de mentalité. Or, qui dit transformation sociale de comportement ou de mentalité, il dit un travail de fond. Un travail de fond qui doit être fait et qui devrait être la priorité des priorités. Parce que, quels que soient les échangeurs, quelles que soient les routes, quels que soient les investissements à l'école, quels que soient les investissements dans nos centres de santé, ça ce n'est que l'immédiat. Pour qu'on ait un Nigérien capable demain d'assumer ses responsabilités, de croire à une sorte de progrès, à une sorte de développement, eh bien, il faut forcément qu'il y ait un travail de fond au niveau des mentalités. C'est pourquoi je dis bien, ce ministère-là doit être le ministère le plus colossal en termes d'investissement et de ressources. Et il faudrait que ce, ce ministère-là puisse comprendre qu'il ne doit pas travailler avec tout simplement les agents du ministère uniquement il doit avoir une vision globale. Il doit chercher les spécialistes où qu'ils soient, que ce soit dans le privé, dans le public, à l'opposition, à la majorité, dans le monde euh, civil, dans euh, les associations de sociétés civiles, que ce soit au niveau de religieux, que ce soit au niveau de leaders d'opinion. C'est l'ensemble de l'ensemble de couches sociopolitiques qui constituent ce pays-là. À elles, on doit faire appel afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que nous puissions voir quels sont les mécanismes les mieux appropriés pour changer les mentalités. Parce que d'abord, c'est ça. Il faudrait que nous arrivions à travers des actions ponctuelles, mais très efficaces, qui seront peut-être pas, euh, sur lesquelles on ne va pas voir le rendement de l'immédiat, mais des actions tous azimuts qui vont agir au niveau des mentalités et au fil du temps, nous allons avoir à long terme une génération de Nigériens qui sera complètement meilleur, si vous voulez, entre griffes ou en porte-à-faux avec un certain nombre de contre-valeurs que nous sommes en train de voir. Donc il faudrait que nous arrivions à nous fixer des objectifs, comme je le disais la dernière fois. En fait, il faut qu'on sache dans dix ans qu'est-ce que nous voudrions de cette génération qu'on a. Massoud Ibrahim, que représente le respect aux couleurs nationales, à l'hymne national dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale et l'unité nationale Le respect des couleurs nationales, euh, c'est le respect du sens de l'État. En fait, euh, nous, quand nous étions petits, à l'école primaire, jusqu'au collège, au lycée, etc., chaque fois qu'on monte ou qu'on descend le drapeau, même la circulation s'arrête net. Ça, c'est le respect vis-à-vis -vis du drapeau, donc des couleurs nationales, de l'insigne de l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez Les gens ne respectent même pas les plus hautes autorités, à plus forte raison, ils vont vous dire un morceau de tissu. C'est ce que les gens vont vous dire. Donc, le civisme est en train de se dégrader considérablement dans notre pays et cela renvoie au problème de mentalité dont nous avons évoqué, nous avons parlé tout à l'heure. D'où l'importance de l'élaboration d'un sérieux programme de renaissance culturelle pour faire face à la dégénérescence de nos mentalités au Niger. Il faut que les gens sachent que leur sécurité, leur raison d'être leur liberté, leurs droits et devoirs sont encadrés dans le cadre de cet État qu'ils négligent. D'où la nécessité de promouvoir les valeurs nationales, les valeurs civiques, le patriotisme, l'amour de la patrie nigérienne. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire que lui, il aime notre pays et nous allons sourire tant que, et que nous n'aimons pas ce pays. Non. Et aimer ce pays, c'est quoi C'est honorer ses engagements, Dès que vous êtes un travailleur de la fonction publique, vous avez un contrat de travail qui vous dit de venir au travail à 8 heures, qui vous demande, ce contrat vous demande de remplir d'autres engagements, notamment la qualité du travail. Quel que soit le travail qui ressort de votre responsabilité, vous devrez bien le faire. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Des gens qui ne viennent même pas au travail, à plus, le retard c'est encore euh, petit problème. Des gens qui ne viennent même pas. On est à Niamey, on a son poste à Kolo ou à Tilabiri, mais on est basé à Niamey. Quand on parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants, mais le problème des femmes dans ça. La femme qui est censée rester au foyer et garder les enfants, elle dit que non. <laughs> Depuis que l'émancipation de la femme a commencé, elle dit qu'elle va travailler. Ok, elle va travailler, elle laisse le petit. Il n'a pas un an, le petit. Il n'a pas deux ans, il n'a pas trois ans, il n'a pas commencé à aller à la maternelle, etc. Il est dans les mains de qui Le papa est parti au travail. Il est dans les mains de la bonne. Et vous avez vu plusieurs épisodes sur les médias sociaux où les bonnes maltraitent vos enfants. Et vous pensez que c'est ça votre émancipation et maintenant vous ratez l'éducation de l'enfant à la base. Vous n'avez pas eu le temps de lui montrer que vous l'aimez, cet enfant. Est-ce que tout ceci explique euh, tout récemment l'affectation des femmes dans différentes contrées de notre pays L'affectation des femmes, c'est parce qu'il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas d'enseignants. Et ici à Niamey, vous avez des écoles où il y a un surplus d'enseignants. Trois voire quatre enseignants pour dans une, seule même classe. Pour une seule classe. On veut faire le redéploiement pour compenser un peu le problème. Mais quelque part, les gens vous disent que non, non, on veut tout simplement casser les liens de mariage, on veut, etc., etc. Non. Donc ça aussi, c'est un problème de mentalité auquel il faut faire face. Moi, je ne suis pas contre le travail de la femme. Mais je sais que ma femme, si tu vas décider de travailler, il faut que tu assumes tes responsabilités au niveau de la maison. Si tu sais que tu ne peux pas entretenir l'enfant, ce n'est pas la peine de faire un enfant. Tu laisses un enfant à la merci de la bonne. Toute la journée, tu es parti, tu l'as laissé avec un biberon. Ce n'est pas son sang. Elle ne peut pas l'aimer. Elle ne peut pas l'éduquer. Elle ne peut rien lui apprendre. Alou Issa Aye, est-ce qu'une bonne éducation, comme Massoud vient de le dire, peut être un bon remède contre la dégradation de toutes ces valeurs d'unité et de cohésion sociale ah Oui, évidemment, évidemment. Euh, je vous assure, hein, la clé réside au niveau de l'éducation. Et fondamentalement, l'éducation à la base. Il faudrait que dans nos foyers, dans nos familles, que nous puissions vraiment savoir ce qu'on veut. Si on est prêt à faire des enfants et les laisser à la merci des bonnes, Autrement, en termes d'éducation, on n'a même pas le temps. Et je vous assure, la dernière fois, je le disais, il y a des parents qui n'ont même pas deux heures de temps pour passer avec les enfants. Comment est-ce que vous pouvez éduquer cet enfant Est-ce que c'est surprenant que demain cet enfant-là commence à insulter son papa, commence à insulter sa maman, commence à insulter son grand frère, commence à insulter dans la rue Parce que tout simplement, dans la rue, c'est un cocktail de tout. Et aujourd'hui, c'est même pas la rue seulement. Chez lui, au moment où vous, vous êtes au dehors, je me rappelle, j'étais parti un jour euh, pour euh, régler un problème dans un foyer. Le monsieur me disait, lorsque lui, il quitte pour partir à son boulot, sa femme sort elle aussi pour partir faire son petit commerce. Et ça, la petite fille qu'on laisse là, elle a le champ libre. Elle fait ce qu'elle fait dans la maison, elle sort, elle fait venir ses amis et ses copains. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte, c'est déjà grave. Donc pour vous dire tout simplement, au moment où vous vous désertez le foyer là, vous laissez l'enfant dans les, mains de la bonne, eh bien au-delà, lorsque peut-être il va commencer à grandir, il y a les masses médias qui sont là. Masses médias qui ne sont pas censurés, où il y a du n'importe quoi. vous parlez des de télévisions, des séries Effectivement, télévision, WhatsApp, euh, Facebook, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, c'est un danger public pour nos enfants. Par conséquent, en termes d'éducation, il faudrait qu'on change de stratégie. Il faudrait que nous puissions nous adapter au contexte actuel. Bassoud Ibrahim, il y a quelques jours, c'est le procureur général près la cour d'appel de Niamey qui, dans un communiqué de presse, en a appelé à la conscience de tous les Nigériens pour que cesse certains comportements porteurs de lourdes menaces pour la cohésion sociale. Pensez-vous que cela pourra dissuader les Nigériens rapidement C'est une mise en garde euh, qui est venue à point nommé de mon point de vue, simplement parce que l'État ne peut pas rester bras croisés face aux tentatives de déstabilisation de l'unité nationale que nous avons déjà. Nous avons une certaine unité. Euh, nous sommes mixés de par les mariages euh, exogamiques qu'il y a. Euh, les Hausa, les Armas sont presque les mêmes parce qu'un Hausa, il parle les Zarma, un Zarma, il parle Hausa. Vous trouvez les, les qui parlent Tamashek, etc. Nous sommes mélangés, nous sommes métissés. Et que la religion musulmane est venu cimenter les liens historiques qui nous unissent. Donc, le ciment là, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mosquée où vous avez trouvé exclusivement des Hausa. Il n'y a pas un marché où vous allez trouver exclusivement des armes. Il n'y a pas un taxi qui. non. Les, gens, c'est-à-dire, ces problèmes d'ethnocentrisme-là, quand on va creuser, ceux-là même qui veulent les réveiller, c'est de frustrés. Et frustration, pourquoi Parce que par le hasard de l'histoire ou par des coïncidences qui se sont succédées, hein, tel dirigeant est un Zarma, il m'a enfermé pendant tel nombre d'années, tel autre dirigeant m'a enfermé. Mais pourquoi il n'a pas enfermé l'autre C'est toi qui l'as enfermé. Pourquoi Mais posez-vous la question de savoir pourquoi il l'a fait. Et maintenant que vous avez une certaine robe, vous voulez euh, exprimer cette peine-là, ce sentiment de vengeance, pour que ça marche où Ça ne va pas marcher ça ne peut pas marcher dans la mesure où moi je suis conscient que dans ma peau de Nigérien, je trouve même que l'autre ethnie est un soutien pour moi, est un reconfort moral pour moi, c'est un garde-fou social pour moi. Quand j'ai besoin de beaucoup de choses dans cette société, ce n'est pas mon ethnie uniquement qui va me, me satisfaire. Je suis obligé de faire recours à, l'autre ethnie et l'autre ethnie le comprend ainsi et nous sommes unis, nous sommes soudés. Et donc cette soudure-là, c'est ça qu'il faut renforcer aujourd'hui et vraiment prendre d'autres dispositions à l'avenir, c'est-à-dire des sanctions pénales assez lourdes contre les auteurs de ces euh, gabégies. Aloïs, vous avez quelque chose à ajouter rapidement oui, je, dois rajouter et dire que vraiment il faudrait, euh, comme euh, mon aîné l'a eu à le dire, euh, que nous puissions véritablement prendre les dispositions. Je parle, nous, en tant que, peut-être je dirais l'État, puisse prendre vraiment un certain nombre de dispositions pour maintenir la solidarité nationale, pour maintenir la cohésion nationale, pour maintenir la paix. Parce que tout simplement, aucune ethnie, comme je l'ai eu à le dire, aucune famille, aucun clan, aucune portion de ce pays ne peut prospérer, ne peut vivre seul sans l'autre. Nous sommes interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Et c'est cette valeur intrinsèque que nous, pouvons, que nous devrons faire ressortir, ne serait-ce à travers la renaissance culturelle, pour que chacun puisse comprendre l'importance de l'existence de l'autre pour ma propre existence. Je ne suis absolument rien lorsque l'autre n'est pas à côté de moi. Donc, c'est des valeurs sociétales que nous devrons faire comprendre aux uns et aux autres pour qu'on sache. Aujourd'hui, par exemple, je prends un petit exemple. Euh, la sous-région est menacée. Et on a créé G5 Sahel. Pourquoi Parce que les États individuellement pris, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire face euh, aux problèmes. Il faut mutualiser les efforts. Et pourquoi pas à l'interne en termes de conclusion, retenons cette euh, belle citation de l'ancien président ivoirien Félix oufoui boigny et je cite "La paix n'est pas un vain mot, c'est plutôt un comportement. La culture de la paix, de la stabilité sociale et de la promotion de l'unité nationale doivent être le crédit de toutes les filles et de tous les fils euh, du Niger." voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Massoud Ibrahim, philosophe politologue, chef de projet sensibilisation renforcement de la sécurité aux frontières de Zender et de Difa. Nous étions également avec Alou Aye, il est sociologue. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.